à Niamey et partout au Niger. C'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangou que vous écoutez en direct sur les ondes à travers nos radios partenaires. C'est avec un immense plaisir de vous retrouver pour ces derniers numéros de la semaine. Je suis Rekia Arimi et à ma compagnie Ali Monkela Ouseni alias Seno 50%. Bonjour Seno, comment tu vas ce matin et c'est froid Je vais bien, Rekia, Angère. Faisons un coucou à ceux qui sont de l'autre côté du studio. À la régie, il s'agit de Rahila Toussoumana à l'édition et Seni Isaka à la technique. Rakia, quel est le menu du jour D'abord, il y a le flash d'information. Pour commencer, s'en suivra la rubrique hebdomadaire consacrée à l'entrepreneuriat. Le reportage de rejoint nous amène à Agadez, nous amènera à Agadez plutôt pour découvrir le dernier préparatif pour le lancement du championnat de lutte alors, euh, on fera un big up à nos auditeurs de la radio Nomade qui nous diffuse en direct, en direct depuis Agadez. Rakia, notre invité d'aujourd'hui est Boulkassoum Seydou Rafat. Il est le président de la structure d'appui et d'assistance pour la professionnalisation et l'insertion des jeunes nigériens. Alors, chers auditeurs, il y aura également notre playlist qui est aujourd'hui 100% traditionnel pour détendre cette émission. Pour commencer, chers auditeurs, Moussa Hassan est avec nous pour le flash d'information. Bonjour Moussa. Bonjour euh, Rachia, bonjour Seno. Bonjour. bonjour. nous commençons le flash par cette information dans, euh, dans le message via la, euh, dans le message sur la vie de la nation qu'il a adressé ce jeudi devant les parlementaires, le président béninois Patrice Talon a déclaré vouloir rétablir rapidement les relations avec le Niger. Depuis les événements du 26 juillet dernier, le Bénin a été l'un des premiers pays à mettre en œuvre les sanctions économiques et financières imposées au pays par la CDAO, notamment la fermeture des frontières terrestres qui a compliqué l'approvisionnement en, produits, en produits de première nécessité via le port de Cotonou. Euh, dans le même ordre d'idée, dans une adresse, euh, dans une correspondance adressée le 19 décembre 2023 au personnel, l'ambassadeur Sylvain Ité a annoncé la décision prise par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères de procéder à la fermeture de l'ambassade de France à Niamey pour un délai indéterminé. Dans sa correspondance, l'ambassadeur rappelle que, je cite, depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 et la violence attaque et la violente attaque qu'elle a subie le 30 juillet 2023, l'ambassade de France se trouve dans l'impossibilité d'exercer la plénitude des fonctions dévolues à une représentation diplomatique du fait des restrictions qui lui sont imposées par les autorités nigériennes. Par conséquent, a annoncé l'ambassadeur au personnel, l'ambassade se voit malheureusement dans l'obligation de mettre fin à leur contrat de travail en conformité avec les dispositions des textes légaux. Et nous finirons par la lutte, car c'est aujourd'hui que s'ouvre dans la capitale de l'Aïr la 44e édition du Sable national de lutte traditionnelle. C'est la sixième fois que la ville d'Agadez accueille cet événement. Aujourd'hui, paré de ses plus beaux atours, la légendaire cité de l'Aïr accueille avec joie et allégresse les 80 lutteurs des 8 régions du Niger dans des joutes qui vont durer une dizaine de jours. Il faut le dire, chaque année, l'enthousiasme et l'engouement suscité par cet événement ne font que croître. Preuve que cette discipline appelée sport roi au Niger compte des millions d'admirateurs. La lutte euh, fait partie des valeurs ancestrales les plus profondes de la plupart des communautés du Niger. Merci Moussa. C'était le flash d'information. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous avons comme invité dans cette émission Boulkassem Seydou Rafat. Sa structure promet l'insertion des jeunes nigériens. Bonjour Boulkassem. Oui, bonjour. Merci de nous avoir honorés de votre présence dans cette émission. Merci. Merci infiniment, Boulkassoum. Mais avant d'entamer nos échanges sur le sujet, chers auditeurs, nous allons faire un premier tour en musique avec le titre Nyala Matnihire de Fatih Mariko. C'est parti. walking interprétée par la voix d'or de la musique nigérienne Fatima Rico, est une mélodie qui raconte l'histoire déchirante d'un amour contrarié. Oui, les paroles révèlent la tristesse expérience de deux jeunes esprits, l'un de l'autre, désirés de sceller leur amour par le mariage. Cependant, le rêve de bonheur est brisé par le refus des parents de la jeune fille. Les obstacles sociaux et familiaux se dressent laissant derrière eux un sentiment de déception profonde. Chers auditeurs, avant, après cette euh, pause musicale, à présent, il est temps de nous entretenir avec notre invité. Rebonjour, Bolkassoum. Oui, bonjour, Avant de, rentrer dans le vif du sujet, présentez-nous vraiment la mission assignée à votre euh, association. Quel est son rôle dans la professionnalisation et l'insertion des jeunes nigériens D'accord. merci beaucoup, Ratia. Merci bien, Seno. et je remercie l'ensemble du personnel de Studio Kalangu. Mhm. je m'appelle euh, Seydou Rafat. Je suis le président de cette structure qu'on appelle structure d'appui et d'assistance pour la professionnalisation et l'insertion des jeunes nigériens. cela fait pratiquement trois ans et demi qu'on est en train de travailler dans le domaine de la professionnalisation des jeunes nigériens. Mhm. en fait, euh, notre structure a pour objectif principal et de renforcer surtout eh, la capacité des jeunes dans le domaine de la professionnalisation. Mm. Et moi, quand j'ai faisais mes tournées, d'habitude, je, disais aux jeunes, mm-hmm. et désormais, <laughs> excusez-moi, hein, c'est un truc <laughs> ne portez plus à l'université, allez-y dans les instituts pour vous former. Vous mm. savez, eh, il y a certains pays où l'enseignement général est, même banni. On ne fait que professionnaliser les jeunes. Parce qu'un jeune qui est professionnalisé et un jeune qui a, qui a fait l'enseignement général, quand on les met sur, le terrain, mhm. je vous assure, le plus souvent, de par ma petite expérience, mhm. je dis bien de par ma petite expérience, je vois mhm. les jeunes professionnels arrivent à mieux faire le travail parce que et ils sont ils vont se focaliser seulement sur on les a formés sur un seul domaine on les a formés par exemple, si c'est en comptabilité, pour que ce soit juste des comptables. Mhm. Mhm. Mhm. Alors que quand vous partez à l'université, on essaie de vous apprendre tout. Mais <laughs> est-ce qu'on peut garder tout en tête On ne peut pas. C'est comme euh, c'est nous, monsieur nous. Aujourd'hui, si il, est, journaliste, si aujourd'hui on l'amène euh, euh, euh, sur un terrain où on fait la comptabilité, je suis sûr qu'il va rien comprendre. Est-ce que vous voyez <laughs> Donc, on ne peut pas apprendre plusieurs choses à la fois et être très bien et être doué dans toutes ces choses. Mhm. C'est un peu difficile. Donc voilà pourquoi euh, notre association est en train de militer, de travailler mhm. pour que vraiment il y ait beaucoup de jeunes mhm. euh, qui vont se professionnaliser au Niger. Super. Alors, euh, Boukassim quel est le profil des jeunes que vous appuyez hein? Ils sont dans le formel ou l'informel Expliquez-nous un peu. Justement, nous sommes euh, un peu dans tout. Hmm. D'abord, euh, cette année, dans l'année 2023, on a eu à toucher 450 euh, jeunes du niveau BPC et hmm. brevet. Et bac, pardon. Ceux qui admettent au BPC, qui ne veulent plus continuer l'enseignement général, mhm. nous avons une sorte d'accompagnement que nous leur faisons à travers nos partenaires. Hmm. Et ceux qui ont eu ceux qui admettent au baccalauréat, qui ne veulent pas aller à l'université, qui veulent aller dans les instituts de formation professionnelle, mm. il y a aussi vraiment un, accompagnement assez particulier. Ah, vous, vous, les accompagnez comment Nous les accompagnons mm-hmm. d'abord au mm-hmm. niveau de l'orientation. Vous savez, certains, après leur bac, mm-hmm. quand ils viennent, ils ne savent pas quoi faire. Euh, on dit ils sont dans le dilemme, ils ne savent pas je veux faire philosophie, je veux faire comptabilité, je veux faire administration. Honnêtement, ils ne savent pas. Ils sont dans l'embarras de choix. Ils sont dans l'embarras Deux mm. fois, on les, on les assiste en fonction de ce qu'ils ils aiment d'abord. Mm on leur pose plusieurs questions et au sortir de, de ces questionnaires, on arrive à, à, leur faire un, un choix, en tout cas, qui correspond à leur, à attente ou bien à leurs besoins, ce qu'ils veulent faire réellement. Et après ça, après ça, quand on arrive à les aider à choisir une filière, on les accompagne parce que certains ils disent bon, allez étudier dans un institut, mes parents n'ont pas les moyens, donc comment faire et là aussi, nous avons des partenaires chaque année qui mettent des bourses d'études à notre disposition. Et ces bourses-là, on mhm. essaie de, distribuer, de, les distribuer, ces bourses. Mhm. Donc l'année passée, on a réussi, comme je vous ai dit, pratiquement 400, euh, 400 bourses d'études. Et on les a épuisées. Et après, on a négocié encore pour avoir les, les 50. C'est ce qui ah avait fait les 450, vous voyez. Mhm. Donc non seulement on les assiste à s'orienter, c'est-à-dire à faire le choix de leur filière, mais aussi comme je l'ai dit, financièrement, je ah peux dire là aussi parce que ça diminue les coûts. <laughs> Imaginez quelqu'un qui doit payer 5 cents dans une école, ses parents ont plusieurs enfants, mm. Ils ne savent pas comment. Euh, les parents ont du mal à payer pour, les frais. Mhm. On dit non, maintenant, comme vous, êtes dans des difficultés financières, vous allez payer seulement les 50% pendant 3 ans. Mm. Euh, si l'école fait 500 000, le parent paye 250 000 chaque année pendant 3 ans. Vous voyez que c'est vraiment, ça diminue les coûts, ça allège vraiment les, les charges aux parents. Exactement. Alors, quels sont les défis spécifiques auxquels font face euh, les jeunes dans les contextes actuels au Niger Vous connaissez le contexte, le contexte actuel et comment votre association travaille-t-elle pour euh, les surmonter euh, Vous savez, avant ces contextes, mm. les jeunes ont toujours un gros défi, surtout au Niger, à, relever, à mm. relever. Pardon. D'abord, je vais vous parler du contexte. Actuellement, les jeunes, ils doivent résister. Et je pense que c'est ce que les jeunes sont en train de faire. Partout où vous partez, et les jeunes sont debout, ils sont euh, résilients, ils disent qu'ils sont prêts euh, à tout pour pouvoir affronter et ces, ces, contextes euh, pour qu'enfin nous, nous, puissions surmonter mhm. ces, petits problèmes, comme, parce que moi je le qualifie de petits problèmes, vu que euh, c'est même pas un problème, c'est une opportunité pour nous de nous libérer. Donc ces gens-là, ils sont sur pied, ils sont à pied d'œuvre. Pour, pour, surmonter ces, ces, ces, défis. OK. Mhm. Partagez avec nous des exemples concrets de réussite ou des projets que votre association a, réalisés pour soutenir les jeunes dans leur euh, parcours professionnel. D'accord. merci beaucoup. D'abord, tout à l'heure, je, parlais de, 400, 450 euh, personnes jeunes qu'on a eu à aider cette année. Mhm. Et en même temps, euh, notre structure a constaté que on exclut beaucoup d'élèves. Mhm. Et ces élèves exclus, le plus souvent, c'est eux qui deviennent des, coupeurs de route, des mhm. délinquants, autre chose. Vraiment, donc, on a réfléchi, on a mis un programme en place. Et ce programme, on est en train déjà de l'exécuter parce que actuellement, il y a pratiquement 50 personnes qui ont été exclues, qui ont été abandonnées par, par, par je, peux, <laughs> je peux le dire, hein, par l'État. C'est bah, que système moi, bah, euh, non, non, en fait, moi, je condamne le système éducatif, surtout nigérien. Parce que vous savez, quand on voit que le, le, le, le monsieur, ou bien le, jeune, n'a pas de niveau, quand on voit que le jeune n'a pas de niveau, on ne doit pas l'abandonner. On dit, pars, c'est fini, on t'exclut. Et le plus souvent, c'est pas les parents que j'ai rencontrés n'ont pas les moyens pour encore payer les, les, écoles privées pour leurs enfants. Mmh. Et ces enfants-là, dans 5 ans, 10 ans, quand ils vont se voir leur avenir hypothéqué, mmh. mais ils n'ont pas le choix que d'être des voleurs, de, déranger la société. Mmh. Donc nous, pour diminuer cela, c'est vrai, nous n'avons pas les moyens nécessaires pour dire que nous allons prendre en charge tous les élèves exclus de l'école, parce que quand on a fait nos recherches, pratiquement chaque année, rien que 6e, en 3e, on inscrit pratiquement 10 000. Et ces 10 000 là, nous ne pouvons pas tous les prendre en charge. Mhm. on a, on, nous avons tenu compte de nos moyens pour prendre 50 personnes qu'on est en train de former actuellement au niveau de notre bureau. On les forme au métier. Nous les apprenons les métiers comme l'électricité, la plomberie, et la couture, et la pâtisserie et tout. Mhm. on actuellement, je vous dis, même lundi, si hein. vous venez, vous, <laughs> allez les trouver au bureau. C'est bien, c'est bien intéressant, Monsieur Mais avant de continuer, nous allons plonger dans le moment tant attendu du vendredi. La revue de la presse Mokhtar Hamadou est là pour nous éclairer sur le fait marquant de la presse nigérienne. Bonjour, Mokhtar. Bonjour, Ratia. Bonjour, euh, Seno. Bonjour. Alors, euh, Mokhtar, conférence des chefs d'État de la CDAO, le CNSP dénonce la présence de fugitifs la commission, euh, la commission clarifie, titre l'hebdomadaire de la roue de l'histoire. Et oui, Rakia, selon le journal, trois jours après le sommet de la CDAO, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP est monté au créneau dénonçant la présence de ce qu'il a appelé les fugitifs. Allusion faite aux anciens membres du gouvernement du pouvoir déchu à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO tenue à Abuja le 10 décembre. Dans un communiqué, le CNSP s'est dit indigné par la participation incompréhensible de certains membres du gouvernement déchu à la 64e euh, session ordinaire euh, de la conférence euh, des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO le 10 décembre dernier à Abuja, au Nigeria. Alors, Mokhtar, le cours de justice de la CDAO ordonne la remise du pouvoir à Mohamed Bazoum, titre son côté le journal L'événement alors que le président déchu du Niger a, apporté porté plainte contre les militaires au pouvoir pour détention abusive. La Cour de justice de la CDAO a délibéré ce vendredi 15 décembre. Elle a demandé que Mohamed Bazoum, sa femme et son enfant soient immédiatement remis en liberté et que le pouvoir soit retourné à Bazoum Mohamed selon le journal L'événement. De son côté, l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire nous apprend que la Cour de justice de la CDAO a déclaré également que les autorités militaires sont tenues de mettre fin à la détention illégale du président et de sa famille ce en les libérant immédiatement et de s'assurer qu'ils puissent de nouveau jouir de leur droit d'aller et venir. Elle reconnaît que les droits politiques du président ont été violés par l'interruption brutale et illégale de son mandat présidentiel. Mokhtar, l'Allemagne annonce la reprise de sa coopération militaire avec le Niger, titre gros Le Niger et le journal Actu Niger. Le journal nous apprend que dans le cadre de sa mission de travail qu'il effectue au Niger, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a annoncé la reprise de 2024 de la coopération militaire avec le Niger, en plus de la formation des, forces spéciales et l'appui aux transport militaire. La reprise de la coopération militaire va concerner la construction sur financement allemand d'un hôpital militaire de référence à Niamey pour un coût d'environ 20 milliards de francs CFA. Pour rappel, la coopération militaire entre les deux pays a été suspendue suite aux événements du 26 juillet 2023. En dépit du contexte particulier qui traverse le pays, la Bundeswehr dispose encore de 120 soldats stationnés à Niamey. Alors Mokhtar, euh, un 18 décembre, pas comme les autres, Tiani en verbe et en action, titre en gros euh, le quotidien L'enquêteur. Selon le quotidien L'Enquêteur, le discours martial du général de brigade Abdraman Tchani, président du CNSP, à l'occasion de nos 65 ans d'existence en tant que République, nous est allé droit au cœur et a raffermi notre volonté de faire face à l'adversité d'où qu'elle vienne. Euh, sur le même sujet euh, selon l'hebdomadaire Le Canard en furie, le détournement des deniers publics, l'effondrement du service public et surtout le, bradage de notre souveraineté ont été favorisés par euh, la justice sélective en faite de nepotisme, de corruption, d'impunité et d'opportunisme érigé en mode de gestion par excellence. Cet anniversaire intervient dans un contexte de bouleversement en Afrique de l'Ouest, euh, fortement euh, soutenu par les peuples, poursuit le canard en furie. Et c'est tout pour la revue de la presse hebdomadaire du studio Kalangou de ce vendredi 22 décembre 2023. Merci, Merci Mokhtar. Chers auditeurs, c'était là la revue de la presse. À, présenter, nous, à présent, nous allons continuer la discussion du jour sur l'insertion professionnelle des jeunes. Et c'est avec Boulkassoum Seydou Rafat, président de la structure d'appui et d'assistance pour la professionnalisation et l'insertion des jeunes nigériens. Alors, Boulkassoum, en quoi consistent les programmes d'assistance offerts par SAAPI Jeunes Comment les jeunes <laughs> intéressés peuvent-ils en bénéficier D'accord, euh, merci. Les programmes sont euh, ouverts pour tous les jeunes nigériens et même les jeunes africains, parce que l'année passée, nous avons eu même à accepter certains dossiers des, expatriés qui vivent au Niger, euh, notamment les Béninois et les Togolais. C'est très simple. À, l'époque, nous passons par euh, un test. Mais là, euh, on, a, on a remarqué que le test éliminait aussi beaucoup des jeunes qui, sont, qui se trouvent réellement même dans le besoin. Mm. Donc là, on, a, on, a, on ne fait plus de tests. nous traitons les dossiers. On fait à un moment où on ouvre le dépôt des dossiers et les jeunes déposent. Euh, quand ils déposent les dossiers, il y a une phase de sélection. Donc nous sélectionnons les dossiers hmm. en fonction de plusieurs critères. Euh, il y a d'abord les critères euh, sociaux. On regarde vraiment ceux qui sont socialement souffrants, ceux qui sont dans des situations économiques très précaires. Donc c'est on, priorise. on priorise également les orphelins et surtout les, les, je dirais, bref, la, les couches sociales les plus démunies, c'est ce mhm. qu'on priorise. Mhm. Donc, euh, quand on les sélectionne, on les appelle, donc c'est fini, on les, on les donne leur euh, attestation de bourse. Euh, et c'est tout, ils partent étudier. Donc, de, de trois, de, je vous ai dit qu'on a fait trois ans ah et, demi. Et je crois bien que là, je j'ai pas les chiffres tout de suite, mais là, total, mais on doit quand même atteindre les, les, les, les, les mille et quelques, hein, les mille et quelques de trois ans à là, mille et quelques a, jeunes qu'on a accompagnés. certains sont déjà opérationnels sur le terrain. Hein. quand on parle des hôpitaux, ce qu'on a envoyé dans les écoles de santé, des fois, on les rencontre, même dans les bureaux, des fois, mm-hmm. on les rencontre, ils viennent nous saluer, vraiment, ils sont bien. Et je, je vais vous raconter un cas d'une fille, d'une jeune fille, d'une jeune fille qui, qui, était sous la coupe des SOS. Mhm. Et il s'était, quand elle s'était mariée, vous savez, avec SOS, quand dès que la, personne se marie, ils coupent l'aide. Et quelques années après, elle ne s'est pas entendue avec son mari. Son mari lui a divorcé. Maintenant, elle s'est retrouvée encore dans la rue. Oh et elle a eu un monsieur qui a accepté vraiment de l'adopter. Mais le monsieur aussi n'avait pas les moyens. Et donc, le monsieur, la dame, pardon, elle était euh, désespérée. Et c'est là qu'elle a appris notre, notre programme d'assistance. Elle était venue. Mm. Et je vous assure, elle, on l'avait prise en charge. Elle avait choisi la pharmacie. Juste un an après, la, pharmacie de laquelle elle est allée passer, faire son stage, hmm. on lui a dit Bon, alors, alors tu, tu travailles. Je vous jure, c'est là qu'elle était, Elle a été recrutée. quand elle était revenue pour le remerciement, elle pleurait. Ah. C'était émouvant. Donc on rencontre vraiment des cas comme ça, beaucoup plusieurs cas. Ah oui, très belle histoire. justement. <laughs> Alors, face à l'évolution rapide du marché du travail, comment votre organisation s'adapte-t-elle pour rester pertinente et efficace dans ses actions en faveur des jeunes professionnels Justement, et c'est pas pour rien, je vous ai dit, comme le nom de notre structure, professionnaliser les jeunes. Vous savez, maintenant, le marché du travail, les entreprises veulent des personnes professionnelles, des personnes qui savent faire un métier fixe. Si c'est par exemple, là, comme je, je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui, a fait l'électricité, il y a des entreprises qui cherchent des personnes comme ça, mhm. qui, qui savent exercer un métier fixe. Ce n'est plus comme avant. Vous savez, le monde de l'école a évolué à trois phases, comme on l'a dit. La première phase, à l'époque, dès qu'on t'inscrit à l'école, que tu sois brillant ou pas, tu finis, tu as ton boulot. Après, il faut que tu sois, la deuxième phase, il faut que tu sois un peu brillant à l'école pour trouver pour euh, un emploi. Maintenant, il ne il, suffit pas seulement d'être brillant, mais il suffit de savoir bien faire le travail. Et pour savoir bien faire le travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut choisir un métier et apprendre efficacement ce métier mm. pour pouvoir l'exercer aussi efficacement. Mm. Donc c'est pourquoi on est dans le domaine professionnel. On est, nous, on te dit, prends un métier, allez-y au fond, cherche à comprendre les béabas du, métier, cherche à connaître beaucoup de choses sur le métier. Comme cela, tu n'auras pas de difficultés. Les entreprises courent, ils vont te chercher. Mm. Donc voilà un peu notre politique vis à -vis de ça. Eh bien, Boulkassem, c'est un plaisir d'avoir cette conversation enrichissante avec vous. Avant de conclure, un dernier mot pour la jeunesse nigérienne. D'accord, Et merci beaucoup. je dirais aux jeunes nigériens de ne pas compter sur l'État. Ça, on l'a toujours dit. Il faut étudier et faire du business. Comme on le dit, il y a un livre qu'on appelle MPA. À, l'école, MPA, MPA, dans le business. Vu que le monde, tout à l'heure, j'ai dit, le monde de l'emploi est en train d'évoluer. Mhm. Ça évolue vite, ça évolue très vite. Que dès qu'on prend un peu de retard, c'est fini. Et c'est le monde des entreprises aujourd'hui qui est, sur, le, sur, le, sur, le, plateau. Mhm. Et donc, il faut vraiment c'est professionnalisé, c'est professionnalisé. Merci, merci beaucoup, infiniment, Merci. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous. C'est nous. Passons à présent à la rubrique entrepreneuriat qui donne l'eau à la bouche. Ah bon? Rekia tu ne, tu ne sens pas cette odeur de la viande Non, pas encore. Hein. Alors, je t'invite aujourd'hui chez une référence de la viande grillée dans la ville d'Arlit. Et c'est chez Sani Nada et d'un dada spécialisé dans la grillade de brochettes. Oui, paraît-il que Sani est très connu. Il est même sollicité pour des services à domicile parce qu'il est très hygiénique. Et surtout, l'accueil qu'il offre aux clients fait que beaucoup le préfèrent. Et dans son entreprise, il emploie une dizaine de jeunes, suivant ce reportage de Gungu Mohamed Anthony, rendu au studio par Hassan. Nous sommes derrière les locaux du commissariat de police. Des véhicules, des motos sont stationnés le long du mur. Eh bien, les propriétaires sont les clients venus pour déguster les brochettes de Sanina le boucher. Sanina Dada a commencé cette activité depuis les années 70 pour son savoir-faire à l'occasion des fêtes et autres cérémonies de réjouissance. Les cadres, les employés et ouvriers de la société minière font appel à lui. Sanadada a formé plus d'une quarantaine de jeunes qui sont aujourd'hui à leur propre compte. abin da ya sha mai kai ni kawo ga sana'a ita tun gidan mu ita na iya ina jin zayan ka fara ci ka bar man nama bani jin daɗi na hisan ko da ba ko kai ka ci akwai inda za ka zuwa ka sai nama ka ji daɗi in ka zo nan yanda aka gyara da ya ci ya ce iwa na gaskiya gare ka amma kayo ba ko ce mai ga inda nama ke ka sai mai ya ce awa na wanga ba nama bane kai da kanka ba ka jin daɗi ni ma bani jin daɗi présentement il emploie plus d'une dizaine de jeunes dans son entreprise

wannan wuri an sani dan dada da shi da yaran shi suna tarban mutane hannu biyu duk wanda ya zo nan suna kyautata fiye da baka ta mahani ina ma nan inda ka zo nan wurin wata karamar yunwa ko baba ka zo da ita ka huda ta balantana karama sanna dada a hérité ce métier de son père lui-même boucher de son vivant ses trois enfants actuellement avec lui vont probablement prendre la relève voilà, c'était le reportage euh, hebdomadaire et reportage euh, entrepreneuriat de Gungu Mohamed Antani, rendu au studio par Hassan. Voilà, euh, on fera un coucou à nos, à nos, auditeurs qui nous écoutent à Arlit à travers la radio Kausen sur la 94 FM. Voilà. Chers auditeurs, c'était la rubrique entrepreneuriale. Avant de continuer cette émission, nous allons encore souffler en musique, n'est-ce pas, Rekia Oui, c'est nous. Le, prochain sur la liste euh, est le son de Abdou Kaché.

هلا وبلا متى Eh oui, cher auditeur, Abdou Kaché Kaché incarne le sens de la musique traditionnelle nigérienne à travers sa voix envoûtante et son talent exceptionnel. sa maîtrise des instruments authentiques tels que le kalangou et le molo souligne son dévouement à préserver et promouvoir l'héritage musical du Niger. Sa contribution inestimable à la scène artistique chantant en Hausa fait de lui l'un des meilleurs ambassadeurs de la richesse culturelle du pays. sai zama da amana. doki na Et nous voilà de retour euh, au studio après cette pause musicale. Nous allons passer au reportage région. Ce matin, nous allons faire un tour à Agadez. Actualité l'oblige. Et oui, euh, cet après-midi, c'est de l'ouverture de la 44e édition du Sabre national à l'arène de lutte à Boubacar Et oui, tous les regards seront visés sur la capitale de l'Aïr les dix prochains jours à l'heure actuelle toutes les dispositions sont prises pour, les, pour ces championnats se dérouler dans de meilleures conditions. N'est-ce pas, Moussa Hassan et Moussa Mamman? Réponse dans ce reportage. Agadez, capitale de l'Aïr, sera vibrée à partir de ce vendredi 22 décembre 2023 sous le rythme du sport roi, la lutte traditionnelle, de la rénovation de l'arène, des sites de l'hébergement de délégations, de la restauration, du pavoisement et de la sécurité de la ville. Tout est enfin prêt pour accueillir cette 44e édition dans les meilleures conditions, affirme le gouverneur de la région, le général de brigade Ibra Boulama Issa. apprécier vous-même les efforts qui ont été faits, pour que le dispositif soit mis en place et soit au complet. Que ce soit au niveau de l'arène, le traditionnel, que ce soit le plan des infrastructures d'accueil des différentes délégations, que ce soit en ce qui concerne même l'embellissement de la ville, le pavoisement et également toutes les dispositions qui sont prises par ailleurs en mesure pour les mesures de sécurité et aussi euh, en ce qui concerne la restauration des différentes délégations. Donc nous pensons que à ce moment-là toutes les dispositions sont quasiment prises que cette 44e édition se déroule dans les meilleures conditions. Placée sous le thème de la sauvegarde de la patrie, cette édition se tient cette année dans un contexte particulier avec l'engagement de la jeunesse rurale venue de toutes les régions du pays, ce qui prouve une fois encore les résiliences, explique Malam Barka Akoda, directeur technique national de la Fédération nigérienne d'élite traditionnelle. Le thème même de cette 44e édition, c'est la sauvegarde de la patrie à travers la lutte qui comporte toute la jeunesse rurale du Niger, 50% de la population nigérienne des jeunes. Un engagement pour montrer aux ou bien aux yeux du monde international et national que nous sommes là. c'est cet engagement qu'on va renouveler pour poursuivre notre lutte. La lutte ne s'arrête pas là. À travers la lutte, à travers la jeunesse rurale, on va poursuivre notre lutte jusqu'à Allah dans la sauvegarde de la nation. Des foires sont prévues aux alentours de la reine pour permettre aux aussi à tous les artisans de la ville d'exposer leurs produits afin d'en profiter de cette 44e édition du d'ISAB national qui va se tenir du 22 au 31 décembre 2023. Voilà, merci euh, Moussa Maman pour euh, ce beau reportage. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Place à présent à la page sport avec euh, Soumana Amadou. Bonjour, Bonjour Soumana. Bonjour à tous. Alors, actualité oblige, c'est aujourd'hui le lancement officiel de la lutte traditionnelle à Agadez. Et eh oui, à quelques heures de la cérémonie officielle, notre correspondant à Agadez, comme on venait de l'entendre tout à l'heure, Moussa Mama, et il a pu rencontrer le directeur technique de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. Il nous parle des règles du jeu et le transfert des lutteurs d'une région à une autre. Malambarka Akoda, que je vous propose d'écouter. En profondeur, il n'y a pas eu de réforme parce que nous travaillons jusqu'à aujourd'hui avec euh, l'ancien code, C'est lui qui a servi de support pour euh, le sabre 2021 et c'est le même code qui a servi de support pour le sabre 2022 à DIFA. Donc c'est le même qui va servir de support pour cette 44e édition. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu de retouche du code de la lutte cette année pour le transfert des lutteurs. dans le code, il est dit que qu'un lutteur, à la fin du sabre, il a six mois pour faire son transfert librement, sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Dépasser ce délai, il ne peut faire un transfert qu'avec l'autorisation de sa ligue. Il y a une autre disposition. Si par exemple, après le délai de six mois, interviennent par exemple les éliminatoires régionales, il n'est pas sélectionné dans l'équipe régionale, il est libre d'aller là où le Soumana du côté foot football, la Super ligue de football du Niger se poursuit à Niamey comme à l'intérieur du pays. Oui, nous avons le résultat du match d'hier qui a opposé l'AS Nigelec à l'AS GNN. Il euh, s'est terminé par la victoire de l'AS Nigelec par le score de 2 buts à 1. Trois autres matchs sont donc au, programme d'aujourd'hui. Ainsi, Espoir FC de Zender accueille le Zumunta de Niamey Liberté SC de Niamey affronte Irana Darlit et enfin Olympique de Niamey rencontre Aquacada FC d'Arlit ici à Niamey. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci Soumana. Merci, Soumana pour euh, toutes ces informations sportives. Rakia, direction Bruxelles en Belgique pour le portrait de notre étoile du jour. Le portrait d'aujourd'hui nous amène à la rencontre d'un jeune Nigérien du nom de Ali Suleiman. Il a quitté le Niger depuis 2008 pour la grande aventure de la migration. Alors il était alors qu'il était chauffeur. Aujourd'hui, Ali, il est revendeur de voitures d'occasion. Selon lui, c'est pour un meilleur l'un des moyens qu'il a quitté sa terre natale. Et oui, notre envoyé spécial Habibou Garba l'a interrogé. Écoutons son portrait. Mm, suis ah, si kaldinya mai dogorai habbe ni jarga ba ni zungu oh, ay si kala belgique la Belgique bruxelles za 2008 de nongo bruxelles matano fondu fono arangana gana kane hare visa naran ceci invitation ni naran no agade zan naran gana ka fondu fono arangana gana kane harali ah to irgo irkada harobo hare no irkada italia hare ne o kada to ai funu ita agades ai mante ai si goikala libi ne go Libye, donc j'ai passé par l'Italie, Kanongo, Europe. Halarangu Duguto Europe, ou des dirse Narima Matkana. Narima, on doit avoir difficulté parce que Bato Handaran neka, aika Lampedusa, Lampedusa, j'ai continué, aika eh, Suisse, de Suisse, aika Nongo, Belgique. Eh, to hunkuna murad fo naran gogo ce ne o belci karan daran ba ali donc eh, go nongo ga dey moten irga nera irga ira goyen te nongo hmm, on arrive à rejoindre le debout ouais. bon kul kango ni labo kan ni dira ni fatten labo ra nima nugin labo nima kan ni se gaakasinay sene se no ni fatin labo ha in kuna din gono ni do fo ni ga fongu ni ɲa fuko sine ga kaŋ go fu kaŋ go jaŋay ha e boro kulu mo ga bay ira afrika laabo ra jangai gono waana waana ir Nizer laabo ra lakkal kana sino i go ga borey wi go ga di bora go ga ma in kulu go ga di bor kul ga salaŋ zama hinkuna iri ir labo da kaanu ir wasu gori labo ha ir labo war kore kani sabbai sai dai no ir gonungo ilabora curai zikai ir koite kan gonga tantabal fitora agoga mango gore kani matano ina da mi zikai ir koite kan ir koi ni beran da gibisa haikul kan ataka dindini go sajira ate ni ga dai tilasnu ni sin da fokan ni gine gate to hinkuna ir wo wankai ir go warai irkoy no irgo ngware irkoy no irgo ngware irkoy makamba da irse la kana matabbata ir afrika labo gamara nga ka niger labo ra ir labo ir niger in kun bo kun no gaba han kan goga te igoga borewi igoga kware yan tunandi har igo boriga danga da fondu go ni kan hin ga nan borai magana kan hin ga kan dir labo sai lakal kana irwo irgo bon ba ine min gay bon nono irwo gir bon no kan gana ir labo mu ka bon ga dai faham da matkan cinaran da dawo te da mm. fu kundu fu kanu aran maran ye fu ko goro bora kulm gor go ker kamra bani ya din no me dira wo ama amana de no me bo ngware ir ko ga ni mu ni mu do arzaka ni man yeni kwara ara ni man do arzaka ni suwa dangi ni wona ni wona buro inga kiti ir ko mi no fond ni mi yeni kwara ko gugoro in kun dir ko kan dir se lakal kane kan terwi ngo di si tal katara dem bay bo ga bay ka murade gogete bor kuno bo si dino ngwan sare labu ne sare labu fo no gono hay kulka si se ir afrika ir ir arzaka dai no igo sambu kan da gogin gai labo kinanda kan igo ga kamo kai gogin gai labo tonton da ir arzakanu ila bi zai lakkala igo ga kani igo ga du hankanwa ifatta hari ifatta tare kaniyan igo ga du hankanwa ir mo ir arzaka di dina auzi irse kai ir duburan adalantayan kai yanga kai go go hannete ir go gorno fu ir sifatta ya dinu hala aranka ne go fodum ran go gogte fu ai wo soji zainaru o kan ay fatti soje tarara aite hayo matano igene bindi chauffeur chauffeur tarara har ka siga kanu nga kan ay dira da har ka go kanu bo sidira bo gu gorde no fu ya dinu almiyalo karan digi nan fu ko karfo dum naran go gece sen kun ya dinu almiyalo wodi bo fatta ni kwara dubo fatti ngu kwara hay kunno kan kanga kanu gato ni mudu ni miniga dole nu wankan gaborka duko kan gaborka tarainuwa zamni go gu fu. Voilà, c'était le portrait de Ali Soumana, revendeur de voitures d'occasion au micro de Habibou Garba. Chers auditeurs, un autre tour en musique avec le titre euh, Koma Bangu de l'artiste Haruna Libore. Ah, bah, bah. La chère auditeur, c'était l'artiste Haruna Libouré avec le titre Kuma Bangu. Rakia, quel est le thème du loti d'aujourd'hui Eh bien, c'est nous, le loti du desk des femmes du studio Kalangu nous édifie aujourd'hui sur des artistes qui permettent aux femmes d'avoir un très bon teint avec une, euh, peau éclatante sans utiliser des produits cosmétiques éclaircissants. N'est-ce pas, Rukayeto Abdraman et Rafika Lottie. <laughs> Lottie. Lottie. Lottie. Lottie. Lottie. <laughs> Lottie. manu kai mu ni se mate lotti si ba mu re de der ma hmm wai way bore tus tus so ga dai ne go fungu coro matu no irgite girga ha mai wahan se kan man tundu no bobu biya ni wallaga cim choro zamgi bobo gona kan ni sibai matkini teda amma bai sibai bai daino ni bai wala han kan ni di lemu kai na follon kowo dinna murgun dayu ga tusin mundu maga toni mondu maga yutuno muluk wala mo nim du nigi cire ga tu siniga gaga surace wato ga nim koi ga nyumai aha son wodi hinna hinna wasa hanka ga man ban nimu ye ga du hawa koi na kan ni ga dan habuga nimu so bai ga tu sun mondu maga wala mo koi na nimu du ni bulangaji wala hilba giyo karra ni ga sukar kai na lotti ni maso bai gin ga to choro dinna wadin kulte ni ga di mamaki hano din hano wo kai kadai mai gida nuno hukunci <laughs> ah to ya dinga barin ka ga haudan boraim su nan banda oho me aman bisan dimu no rubo ba danga ga ham gidai kangin barau. aminu mun duma ton go kukura ni se diga <laughs> sun gai bena da ni si borai borai si min ni ko dai borwa borai wallahi <laughs> Voilà, chers auditeurs, c'était là le loti du jour euh, proposé par le desk femme du studio Kalangu. Accueillons à présent Alamine Ouachar pour la culture linguistique. Bonjour Alamine. Bonjour Seno, bonjour euh, Kiki. Bonjour Seno. Alamine nous explique le mot panafricanisme. Le panafricanisme est un mouvement, une idéologie politique qui font la promotion de l'indépendance totale du continent africain. Il encourage la solidarité entre les Africains et les personnes d'origine africaine, quel que soit leur lieu de résidence dans le monde, en faisant abstraction, euh, en faisant abstraction en faisant abstraction de leurs ethnies, leurs religions ou leur apparence physique. Au Niger, par exemple, on peut citer certaines personnes qui sont connues

أمدلا نافريك هروادي سسو هتروادا العلاقة تاقر كل فريك جرزا وين تتهاني ولا وين هاني تما وين دغوري سواد دغدي النسن ولي الماوى النسن ولا الحالة تنشينها المثال داني جار لان تيتي دن وين ستدني ناس انتني كل فريك استارت نشغل واتاقين دا دارتن كل موسنين تاكولين شين تاقين دغتي الكامات ندانا تزدامتن Chers auditeurs, si vous avez deux mots ou des expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, Hausa, Zarma, Tamashek ou Fulfulde, votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. wo labari kulkani nima bai kan no ina dahirandi dino di mana dahirandi isa sambar kalangu asabu n'o hunkuna irgogo din ne kayan wani ko mino ra kayan kalangu dai no irgogo hangan gum sanda labarai ki ga borno ya ne hangan ni ga bai dai kai wallahi ra jago goy da kimi bai ga tamme ni kyar su banno ikan ga na hankan ga ki kula an borai be jandi n'o wat kun rajo kalangu hangan fatta koi gol ko mino ra no isaki ide mhm. golo isido kalangu nguri gudwaya isigira sinda tali isigira kirga hangan igo gini hangan da gabi paske bon hangan igudu bon fere bobu borga ma labari yan studio kalangu kan sima radio jarai bumbora aseni hangane yanga kanirse afo kursin kansi kanese lakka ga didi yamarenge kigi ngu no ga kanir se gumo sido kalangu ga sabi se kini ga sabi se zari iko mal barka da igo tere ga ay gonda sabi mo kai ga to nan dido wana wana wai bore jin ko yon fondara ki yo wai bore ga ka sinai da sanka to bandai di himana ido hare wodin se deni go kanai ima ko kari se irmo irwe bore mi se de banda ir ko mi di se ko mi di bu jama ci kan wai boro gonda ba hal ba hal subsi nga daina goka na sai ni mazamni ne a nan karkara ilela mu muna samu muna dan saurare muna suivirkin studio kalangu bisa facebook gaskiya muna ɗari bisa ɗari bisa eh, take yi magana bisan su eh, na wajen karkara ita ko yau duniya ga mazamnin karkara kullum kamar wa'azi ne kullum sai ana tunatashe sheshi yake yi abubuwa da yawa da kuke yi muna jin daɗin shiri wannan surtu wannan na wajen raya muhalli mu muna son mutane ku zan yi. zanyi ke eh, wa'annan abubuwa in kuna yin su muna sauraren ku za mu rage abu da yawa shi ne kamar wanda nace kamar wa'azi ne kuke yi wannan abin kamar bisa harkar gandun daji ma kwanaki na ji kun safara wasu abubuwa na ji daɗi sai ni ta neman ma yi in samu irin nima in zan ba da albarkacin bakina saboda yau mutane kowa a bai da lahiya gidan likita shekataya to ya kamata ai daji ma eh, gona ce daji ma rai gare shi kenan in ka samu akwai inda aka tattauna bisa wadda ake yi daji shi hudu to ka gani wannan shina ƙara mana ƙarfin gwiwa da musan san namu ga wadda ya kamata mu yi da shi amma sai ya zamanto mu na nagara duka da agare mu communautaire da sun ka fara mana waye kai to yanzu duk sun ɓaci sai ya shi ya sa muka dibin ku eh, studio kalangu bisa su facebook tunda inda nan ga radio kamar na na yi ka gani da in aka samu haɗin gwiwa da to da alhamdulillah da abin ya ci gaba sosai wadda ma eh, kowa da kowa zai gane Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, euh, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Nous allons kiffer une dernière musique et cette fois-ci, ça sera avec Jazz Band qui nous propose Koskoriman. C'est parti. chers auditeurs, c'est avec Koskori Mathieu de Band que prend fin cette émission. Nous avons adoré passer ce moment en compagnie, en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour une autre aventure. Vous étiez en compagnie de moi-même Rakia Arimi et Ali Munkaila Ouseni alias Seno. Oui, l'édition a été assurée par Rahila Soumana et à la technique, nous avons Seni Issa. Rendez-vous à l'arène de lutte Aboubakar Jibo d'Agadez pour l'ouverture du championnat de lutte traditionnelle. Rendez-vous également ce week-end dans la FADA pour ma chronique. Et moi, je vous retrouve pour l'actu de jeunes en Hausa. Ciao, ciao.